autour de la reine de Niamey. À l'occasion de l'ouverture de cette 42e édition du Sabre National, cet après-midi, c'est l'ambiance qui règne autour de l'arène des traditionnelle de Niamey. Des défilés des délégations de huit régions du Niger à travers des danses. Ces dernières sont accompagnées d'autre part par leur staff technique avec la présence très remarquée des chefs traditionnels et des jeunes jeunes amateurs et supporters qui ont décidé de rehausser de leur présence au coup d'envoi de cette énième édition d'Eniam. Grâce au dispositif sécuritaire, tout s'est déroulé normalement au vu du professionnalisme de forces de sécurité mixte présents à l'ouverture de cette cérémonie dans son discours à l'ouverture de cette 42e édition, le président de la Fédération nigérienne des Lettres Traditionnelles, Oufana Moussa, a appelé les parties prenantes à la retenue. Reportage. Le combat de compétition de cette 42e édition du sable national. C'est 128 lutteurs, seniors et 8 lutteurs CDAO, ici de 8 régions du Niger, qui vont se mesurer pendant 10 jours dans la fraternité et le de, soi, et d'où jaillira le roi des arènes, c'est-à-dire le champion du Niger 2021 de lutte traditionnelle. cela réaffirme une fois de plus la consécration de la volonté de nos gouvernants à garantir un environnement pour l'épanouissement et le rayonnement des citoyens en général et de la jeunesse en particulier sur toute l'étendue du territoire national. Chers acteurs directs et indirects de la lutte, c'est pourquoi je vous demande à tous, responsables des luttes régionaux, des districts, de, vous mobiliser et inviter et, initier des activités de la lutte à la base pour prémiser et soutenir cette volonté affichée de nos gouvernements à faire de la lutte un des facteurs réels et naturels pour l'unité nationale religieuse. Au président de ligues régionale, au district départementaux et communaux, de continuer sans donner l'identification et la présélection des jeunes lutteurs à la base en vue de mieux les préparer aux éliminatoires cantonales, communales et régionales dans le cadre des prochains sabres nationaux. Je saisis cette occasion pour demander aux présidents de ligue et des districts aux entraîneurs régionaux et aux lutteurs de bannir à jamais certains comportements et agitations et de se conformer aux dispositions de la de code de la lutte dans l'exercice de leur droit à la réclamation. Aux arbitres et officiels techniques, je vous recommande d'être impartiaux en appliquant strictement les lois et règlements s'agissant de notre sport pour donner à cette fête son éclat d'une véritable fête de l'unité entre les fils de la nation officiel à l'ouverture de cette 42e édition, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sekou Doro, s'est dit très fier de la tenue de cette 1e édition de Niamey. En cet instant mémorable, je vais joindre ma voix à celle des populations de Niamey pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux illustres hôtes venus de toutes les contrées de notre, pays, de notre cher pays et d'ailleurs pour partager avec nous ces moments de ferveur que nous ferons vivre dix jours durant nos talentueux lutteurs. Cette fois-ci encore, et comme les précédentes éditions, les populations de Niamey ont fait preuve de leur hospitalité légendaire, ainsi que d'une mobilisation exceptionnelle pour réserver aux Hôtes un accueil fraternel et chaleureux. Chère population de Niamey, soyez-en remerciés. Cette mobilisation me réconforte car elle témoigne non seulement de votre attachement à notre sport roi, mais aussi présage de vos encouragements et soutiens aux vaillants lutteurs. Mesdames et messieurs, depuis son actualisation en 1975, la lutte traditionnelle du simple jeu a été laborieusement construite pour s'imposer aujourd'hui comme son roi dans notre pays et devenir un puissant outil de prévention de conflits et de promotion de paix durable par les valeurs qu'elle véhicule. C'est le lieu de témoigner toute notre reconnaissance à tous ceux qui, individuellement et collectivement, ont œuvré depuis 42 ans à faire de la lutte traditionnelle cet outil de renforcement de notre unité nationale. En tant que dénominateur commun et passion partagée, la lutte établit des ponts entre les communautés indépendamment de leurs différences culturelles et des appartenances politiques. C'est pourquoi la 42e édition nationale est placée sous le thème Vivre ensemble, nous sommes une famille par les autorités de la 7e République. Mesdames et messieurs, vivre ensemble, nous sommes une famille ce thème n'est pas fortu, Il exprime les liens pacifiques de bonne entente que nous devons entretenir dans notre pays. Il réveille en nous la culture des valeurs telles que la citoyenneté, la paix, la tolérance, la sécurité, l'entraide, le fair play, l'unité nationale, toutes choses qui concourent au renforcement de la cohésion. sociale. Très tôt ce samedi matin, les compétitions ont repris à Niamey. suivant à présent le compte-rendu de notre équipe sur le terrain. C'est parti pour la première journée de la compétition du sabre national de la lutte traditionnelle à l'arène d'élite de Niamey devant une foule immense et averte. C'était en présence des autorités de la ville de Niamey en tête le gouverneur de la région, le chef de canton de Saga Amiruma Azou et le chef de canton de Meneseroa dans la région de Difa. La première compétition a opposé la région de Dosso et Tilaberi et la région d'Agadez et Maradi. Et l'occasion pour les Nigériens de revivre le combat de la lutte traditionnelle. La surprise d'une part, des gladiateurs reconnus de la région de Dosso sont tombés devant les littères de Tilaberi. Il s'agit de Soumela Abdou et Nour Hassan. la victoire, 7 pour Dosso et 3 pour Tilaveri. Et le deuxième combat a opposé la région d'Agadez et Maradi. C'est le combat spectaculaire avec Ebou Hassan et Abdul Rachid et Moussa qui a attiré l'attention des spectateurs. Pour Marie Malandauda, spécialiste à la matière, les premiers combats ont été à la hauteur des attentes des amateurs des sports au Niger. Il y a eu deux rencontres de 10 et 10, mais nous pouvons dire que de toute façon, les débuts ont été toujours difficiles. Et la première chose à remarquer est que nos lutteurs manquent de conditions physiques. Ils n'ont pas du temps. Ils n'ont pas eu le temps pour se préparer. Il y aura sabre, il n'y aura pas sabre, et vous avez vu. La preuve, déjà sur les 20 combats, au lieu d'éliminer peut-être 20, il y a eu peut-être 23, peut-être 3 ou 4 combats nuls. Vous avez vu Et les combats nuls suppose qu'il n'y a pas eu d'attaque franche et que les gens manquent totalement de conditions physiques. Mais sinon, les, les, les, premiers combats ont été, euh, en tout cas, doivent être les, plus difficiles parce que c'est des combats des invaincus. Vous avez vu, on avait prévu dans certaines interviews que c'était 40 qui allaient tomber les premiers jours. Eh bien, je vous confirme qu'il y aura plus de 40 dans la mesure où quand il y a un combat euh, nul des deux invaincus, les deux sont supposés comme étant tombés. Ça veut dire qu'à la soirée, peut-être, on va assister à, au lieu de 40 euh, éliminés sur les 80, on risque de se retrouver au moins à 43, 44, en tout cas éliminés à la première phase, ça à la première journée de la compétition. Donc les compétitions de demain seront un peu moins difficiles que, euh, en tout cas les combats seront un peu moins difficiles que ceux d'aujourd'hui, et après, maintenant, lundi, vous allez voir qu'avec les 80, on va se retrouver sensiblement avec peut-être seulement 15 invaincus. Pour rappel, le premier combat se sont bien déroulés dans la communion et la discipline. Et enfin, tous les lutteurs des quatre régions, titulaires et suppliants, ont respectivement réussi 50 000 francs CFA de la part des autorités en charge des c'est ici que s'achève cette édition, programme spécial, les traditionnels, depuis l'arène d'élite traditionnelle de Niamey.